talite kokul kan sibarmai genjima sosobu genjima tutubu talite kokul kan sibarmai ayi genjima sosobu genjima tutubu hey Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Altesse exprime. Ladies and gentlemen, connectés un peu partout au Niger, merci pour votre mode de confiance. Merci d'être scotché sur l'émission hebdomadaire Tous à la Fada du studio Kalangu consacré à la jeunesse nigérienne. Vous êtes connectés depuis Agadez, depuis Difa, depuis Dosso, Tawa, Tilaberi, Maradi, Zender, Niamey, Kolo, Torodi, Sai, Baleyara, à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos 6 télévisions partenaires, nous mettons en valeur la culture nigérienne en cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un artiste nigérien islameur confirmé. Il vend les couleurs nationales, nationalement parlant et internationalement parlant. Altesse Slammer ne plus à présenter. Suleiman Bontasi, Jirekana Haoufourou. Suleiman, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Merci beaucoup, le grand dandy, comme d'habitude. Comment tu vas, Suleiman Je vais énormément bien, comme tu le vois, la forme. Alors, l'artiste Altes Slammer, qui se cache derrière altes A-L-T H-E-S-S. Ah, étymologiquement et sentimentalement Altesse parlant, A comme amour en français, mhm. elle L comme love en anglais, T comme théorie sentimentale, H comme humour et comme étincelle, S comme sagesse et S comme slammer. Et à l'état civil qui est Altesse Slammer Abdullah Seydou Suleiman, c'est ça. Abdullah Seydou Suleiman. Suleiman, Il est né en quelle date un 8 janvier 1991 à Kananzuba dans la région de Maradi. 8 janvier 1991 dans la région de Maradi est venu au monde. L'un des le premier slammer campagnard du Niger. Le premier slammer campagnard de ce quartier. timide. Encore <laughs> Alors, la slammer, on te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Tu peux déjà nous dire quand est-ce que tu as commencé le slam au Niger euh, je dirais que j'ai commencé le slam vers les années 2014, comme ça. 2014 Vers les années 2014, mais ça c'était dans l'underground. Mais formellement, j'ai commencé à embrasser les scènes vers les années 2016. 2016 hum, Tu te rappelles de ma première apparition sur une chaîne télévision C'était avec toi, Dunia TV. Hey C'était ma première fois où j'ai apparu sur une télé où tu m'avais invité dans ton émission Je me rappelle très très bien, comme si c'était hier. Et quand je t'avais vu à la place AB, je me suis dit que l'artiste, il a du talent. Alors aujourd'hui, tu fais la fierté de la musique Made in Niger. On va parler du slam au Niger. Comment est-ce que les choses se présentent selon toi le slam, ça va On peut dire que ça va ou bien ça reste ou beaucoup reste à faire eh, Ça va, mais il reste beaucoup de choses à faire. C'est quoi le slam pour toi Le slam pour moi, c'est juste, euh, comment on appelle ça C'est la poésie orale sur scène en fait quoi. C'est se, le parler bien, se le parler bien déclamer au fait quoi. ça aujourd'hui, pour faire un texte de slam, il faut à la base avoir une voix, parce que le slam vient à la base de ce mot grec euh, en anglais qui veut dire shalem. Et shalem veut dire claquer, », c'est-à-dire dire que taper. cest veut dire que pour être slammer, il faut nécessairement avoir une, voix qui cogne fort. Et en dehors de ça, il y a beaucoup qui confondent le slam aux rimes. Le slam, ce n'est pas que des rimes, c'est du sens. C'est une présence scénique aussi également. Vous êtes nombreux ici au Niger Nous sommes nombreux, c'est juste qu'il y a beaucoup de slammers qui sont dans l'underground et peu de slammers sont officiellement reconnus. La jeunesse kiffe ce que vous faites et eh, En tout cas, je, dis, euh, je peux dire que si le slam me nourrit et que le slam me transporte hors de ses frontières. Le slam te nourrit donc Le slam me nourrit personnellement. Le slam euh, te transporte Ouais, le slam me transporte parce que je voyage énormément beaucoup. Mhm. Et grâce à ce même art-là, je fais l'Europe, euh, je fais beaucoup de pays en Afrique. Mhm. Et même dans l'année 2021, j'ai participé au Parlement du Rire par ce même slam. Donc, du coup, <laughs> je dis que. Justement, Mr. Alten, c'est avec ça que nous allons chuter. Tu étais au Parlement du Rire, tu étais avec le frère Maman de la République très très démocratique de Gondwana. Alors, explique-nous un tout petit peu comment est-ce que ça s'est passé dans le Parlement. En tout cas, c'est une expérience fabuleuse pour moi de participer dans une émission. Tu as parlé, tu as menti et ils ont... Ils ont apprécié, ils ont aimé, bien sûr, parce que les gens ont apprécié dans la globalité mon passage sur Canal ⁇ et c'était aussi une grande expérience pour moi de participer à une émission qui est euh, autour de laquelle il y a plus de 100 personnes. Une autour émission. de laquelle il y a plus de 100 personnes qui bossent et qui taffent dur. C'est vraiment du high level pour moi. Je me dis que c'est de l'expérience. Un message cette fois-ci, l'instant est solennel. Sur tous. Voilà. Fada. Altesse, la machine te demande de laisser un message pour les jeunes slameurs scotchés sur cette émission. Et ce que je peux dire à tous ces jeunes slameurs qui rentrent dans ce mouvement, je vais commencer par leur dire que c'est un art qui n'est pas du tout facile, c'est un art qui exige beaucoup de lecture, beaucoup de concentration, beaucoup de recherche parce qu'il faut de la consistance dans l'écriture avant de venir sur scène. Un slammer, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est du travail dans l'ombre en fait. Quoi. Je leur dis de redoubler d'efforts, de travailler plus encore. L'objectif, c'est qu'un jour, on arrive ensemble, main dans la main, en équipe, à créer un jour le code au Niger et à l'imposer, à imposer l'islam dans le programme scolaire un jour dans ce pays. La vie est un éternel combat. Il faut savoir contrer les coups, quelles que soient les provenances. Les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, c'est ceux qui ont su se relever après la chute. En temps, on se relève. On tombe, on se relève jusqu'à la destination. C'est la traversée du désert. Machine, Altesse, Talk.